ñu dégtal leen rek coup d'envoi marche bi sécurité bi macha allah doy na ñu ngi gis ni euh, policiers yi ñoom ñëpp euh, ñu ci bari ñëw na ñu ngi taxaw waa euh, ñi nga xam ne départemental ODCAV aussi ñu ngi fi ñëpp ñëw nañ macha allah ku nekk jàpp ci rek yàlla ñu yàlla defal sirat loolu jury actuellement muy lycée sirat bu Thiénaba ak lycée Bantous ku nekk yaa ngi jéem a dugg ci terrain bi ak aussi manière bi nga koy duggee ndax seen nañu ay sirat mu ñëw ci anglo terrain bi tout juste ci porte corner bi ñom ñep fofu lañu duggé ñu gis aussi ni ASC su mom dañu def par 3 3 3 bu nek dem ci ben coin euh, ñom euh, non lañu duggé ci terrain bi xaj ko euh, aussi bu nek ak ce serigne wala nangam nangam ndax bu ñu waxee ni nawetan xam ngeen ni nawetan ci boppam mom affaire serigne ak yoy dañ ko ci gëm lool kon ku nek xaj na li nga xam comme gisee euh, match bi mu ngi noonu coup d'envoi bi euh, joxé nañ ko waaw euh, légui ballon bi mu ngi daw entre match bi nga xamni mom moy déroulé fi ci stade Lat Dior entre ASC Sirat bu Thiénaba ak ASC Bantous match bi nak mu ngi commencé justement à à 6 heures à 7 heures moins 5 minutes le match bi commencé donc 6 h 55 le match bi commencé donc ñu xamé ko noonu. donc euh, voilà ballon bi euh, défenseur ay ASC Bantus bi sànni na ballon bi ballon mu ngi nekk ci tànku kan ci tànku défenseur ay se euh, Sirat attention balancement balancement Baye Serigne Sylla Serigne qui va essayer le numéro 11, qui va essayer de décrocher, qui décroche, qui tire dans les bras du gardien de but de l'ASC Bantus Boutiès. Donc euh, première shot euh, euh, alerte pour l'attaque de l'ASC Sirat Boutianambo. Voilà l'ASC Sirat qui va essayer de développer son jeu, qui cherche attention, qui balance latéralement qui cherche un mauvais passe pour le numéro 13 de l'IC Bantouk, qui cherche son partenaire et qui balance, qui donne une mauvaise passe dans les bras du gardien euh, Modou Dia. Modou Dia qui relance, qui donne euh, numéro 15. Attention, c'est nous qui cherche son partenaire, qui cherche euh, Ibrahim Ndiaye, qui va chercher développer, qui cherche Pam Ndiaye, Mauvais dégagement de la défense, Baïsrin Silla qui court. Euh, mauvais sauvetage euh, du gardien de l'ASC Bantous et l'ASC Sirat obtient un corner. Ça commence bien. Ça commence bien ici. Ça commence bien. Ça commence bien, machallah. Donc, euh, espérons que l'ASC Sirat de Tchanaba emballe le match. Voilà, vous attendez les supporters de l'ASC Sirat qui sont dans les tribunes et qui euh, supportent leur équipe. Là donc euh, le corner va partir de la droite vers la gauche, corner tiré par Baba Ndiaye euh, qui fait un bon centre, tête de... Ouais, Koufran, contre, contre le joueur de l'ASC euh, Sirat de Tchanaba. Donc euh, contre Ousseinou Ndiaye. Ousseinou Ndiaye qui va se replacer et le gardien de but de l'ASC Bantouche qui s'élance euh, et qui va dégager le ballon, qui dégage, qui met un long dégagement euh, tête de Ousseinou Ndiaye, euh, qui donne à Ibrahima, Ibrahima Ndiaye, qui va essayer de chercher le Ibrahima, qui va essayer de centrer. aux tension, ballon pour... Ouais, qui perd la balle, mais le ballon revient dans les pieds de Oh, mauvais, mauvais, mauvais, mauvais centre. Attention, attention, le numéro 7 de l'AC Bantous qui va essayer de développer son jeu, qui sert son partenaire dans le milieu terrain, qui fait retropasse. Dégagement de la défense, le numéro 7 toujours, euh, mauvais contrôle. Attention, Pape Momodou Ndiaye qui sert son partenaire, euh, qui euh, euh, Abdoulaye Ndoye qui était en position d'orjo. Abdoulaye Ndoye, le numéro 9 de l'AC Sirat qui était en position d'orjo. Donc euh, l'arbitre de tous qui nous signale que euh, Abdoulaye Ndoye était en position avancée. Chers téléspectateurs, nous sommes ici au stade La Dior de Thiès et je vous dis que l'ASC Sirat rencontre ici l'ASC Bantous de Ersan et nous sommes ici pour vous faire vivre cette rencontre. La défense, euh, l'axe central qui dégage le corner, mauvais jugement. Attention, le ballon qui sort le ballon qui sort euh, en touche, donc euh, touche qui va être effectuée par euh, Babacar Ndiaye, qui sont collés derrière leur équipe, tous tout le temps, toujours en bénéfice de l'ASC Sirat de Tchanaba, tout ce qui est effectué par Mamadou Si, le numéro 9 de l'ASC Bantous, qui a touché le ballon et qui a remis la balle en touche. Donc, je vous le disais, Babacar qui effectue la touche, qui cherche baisser ici là, mauvaise touche. Non, l'arbitre nous demande, l'arbitre demande à Momodou Ndiaye de, reculer un peu. Oui, de reculer un peu. Voilà, donc il va refaire la touche. Momodou Ndiaye, Babacar Ndiaye dit moins, autant pour moi. Babacar, autant pour moi. Babacar touche encore le numéro 9, si, qui, qui remet la balle en touche. Il me semble que l'ASC Bantous est, est, un peu défensif. Donc, je, ne sais pas, c'est un round d'observation qu'il est en train de faire. Retouche, attention, non, mauvais jugement et touche pour l'AC Bantous. Donc, euh, touche maintenant pour l'AC Bantous de Thiès. L'AC Bantous, le joueur, le latéral gauche qui effectue la touche, qui donne, qui sert son partenaire, qui sort le numéro 13, qui protège la balle, qui, attention, euh, tout le temps le ballon refuse de sortir et Babacar euh, qui remet la balle en touche. Donc euh, le jeu est tout le temps et tout jusqu'à présent le jeu est un peu fermé. Mboki comme ni ko voilà match bi pour le moment Kogoul carrément xagné équipe bi dañuy round d'observation observation voilà centre de du numéro 13 attention mauvais dégagement de Njouga. Njouga le ballon refuse de sortir il faut sortir la balle centre juste tête manquée attention le New Silla tout le temps qui vient défendre et qui remet la balle euh, en corner. Voilà. Baïserin Silla qui remet la balle en corner. Donc au corner euh, qui part de la droite vers la gauche, qui va être effectué par le numéro 9 euh, de l'AC Bantous, Momodoussi. Momodoussi qui s'affaire autour du ballon qui va, qui, va, qui va essayer de s'appliquer pour, pour faire un bon centre. Mamadou qui s'élance avec son pied gauche, qui met un centre. Attention, le gardien de but qui sort et qui boxe la balle. Mais le ballon sort en touche. Le ballon sort en touche. Donc, euh, pour le moment, je vous dis, ici au stade Dior de Thiès, entre l'AIC Sirat de Tianaba et l'AIC Bantous de Ersan de Thiès. Donc, euh, nous jouons à la sixième minute. Actuellement, 0 euh, zéro partout entre les deux équipes. Et je vous rappelle qu'on joue la 32e de finale départementale. Attention, attention, le ballon qui est dans l'axe central de l'AC Sirat. Donc, euh, cafouillage, le numéro 13 qui remet dans l'axe tête. Baba Karnia qui essaie de sauver. Et l'arbitre de touche nous dit qu'il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu. Donc, c'était une action offensive de l'ASC Bantous de Thiès. Et là, il y avait position d'Orjo. Et là, il y avait position d'Orjo. De passage, on salue tout le monde. On salue tous les téléspectateurs de Sendozo.net, la télé des grands événements. Attention, Mamadou Ndiaye euh, Mohamed qui a mis une remise qui n'est pas arrivée. Voilà la défense de l'AIC Bantous qui sauve en touche. C'était extraordinaire. C'était un peu dangereux. C'était un peu dangereux, mais Malheureusement pour nous, malheureusement pour nous, donc euh, malheureusement pour l'ASC Sirat, que je veux dire, malheureusement pour l'AC Sirat, mais l'ASC Sirat c'est nous, hein. c'est nous. Donc euh, voilà, tous, tous en faveur de l'ASC Sirat de Tchanaba. Tous en faveur de l'ASC Sirat de Tchanaba. comme ni ñu di leen jéem a defar reportage boo xam ni français lañ koy defee ak wolof tey nag dama amul consultant moo tax man maay essayer def ñaar yëpp voilà euh, laay see Sirat ak Bantu bu Thiès actuellement ñoom ñu ngi def 0-0 lañ defagul à la septième minute attention c'est dangereux c'est dangereux pour l'axe Centrale qui remet pour son gardien le gardien dégage en catastrophe Oui. le gardien dégage en catastrophe mais il faut faire une pressing ça je m'adresse au jour de c'est Sirat, donc touche bi, euh, Babacar Sandine touche bi, donc cherchez bay Serigne, c'est Serigne mais le défenseur ou euh, le militaire indéfensif ou ASC, euh, attention, attention, Pape Ndiaye, je crois qu'il va essayer de. Euh, Ousseinou Ndiaye qui met une. Voilà, voilà, voilà, Orjo. Orjo. Orjo. Orjo signalé par l'arbitre de tous. arbitre de tous, bi signalé euh, Mohamed Ndiaye euh, position orjo jeu bi nga xamee central euh, bu Ndiaga Ndiaga ci numéro 12 ic Serat. Ndiaga moom dégage le ballon bi mais dégagement bu baax parce que daf cherché en même temps Mohamed Ndiaye voilà donc Orjo jeu bi tiré le ko le bi tiré Babacar Ndiaye ballon bi donc di chercher attention attention le numéro 7. Attention, L'arbitre, l'arbitre qui siffle, l'arbitre qui dit qu'il y a faute. L'arbitre qui, donc le billet est refusé. Heureusement pour nous, heureusement pour l'AC Sirat. Donc euh, le jeu continue. Attention, Mohamed Ndiaye euh, qui va essayer qui perd la balle et Koufran. Koufran contre l'AC Bantous, Koufran pour l'AC Sirat. Donc euh, le coup va partir. Je crois que c'est Ousseinou qui s'élance avec son gaucher, qui va mettre dans la boîte euh, qui est tête de sauvetage. Euh, qui va essayer de remettre, euh, non, qui met une pomme non, le, danger. Voilà. Donc voilà, l'axe central numéro 7 qui fait une remise en derrière. tête de Ndiaga. Ndiaga qui remet et touche, touche, douce. Il me semble que Ndiaga est blessé. Il me semble que le numéro 12 de l'ASC Sirat Ndiaga est blessé. Voilà. Yakarnani de ni dafa mel numéro 12 bi dafa blessé ouais espérons que blessure bi ci boppam garaawul nono voilà jogna, relevé ou non euh, pour dem mën continuer match donc nono ñuko ko rek ñu ñaan yalla mu dara bañ ko jot voilà touche bi. Euh, latéral gauche Khalifa Dem Mo sànni ballon bi nonou touche def touche bi Khalifa voilà donc euh, ballon bi mu ngi ci ben côté waaye yaakaar naa ni dafay génn fay touche mom ngeen gis nonou joueur Bantous bu Thiès mom moko dégager génn ci côté tribune couvert euh, donc euh, justement ci suñu donc pour le moment je vous disais que match bi ba ñu def 0-0 fi ci stade euh Dior bu tous bi euh, Babacar attention noy noy noy qui perd pas la balle le ballon ne sort pas dégagement dégagement de la défense de Bantous tout le temps le ballon est sorti attention attention de bataille entre Ndiouga et le numéro 9 de l'ASC Babacar qui va essayer course de vitesse entre le numéro 13 qui va essayer de déborder qui va chercher son partenaire. Oh oui, Koufran, Koufran, Koufran, Koufran, le numéro 13 de l'ASC, le militaire excentré gauche de l'ASC Bantous, qui a retenu euh, le maillot de, de la défense de Ndoye, de Ndiaga, non, autant pour moi de Ndiaga, Ndiaga le numéro de l'axe central de l'ASC Zirat de Tchanaba. Donc euh, qui s'élance, qui dégage, qui cherche, euh, qui, Ndoy, Ndoye qui dévie attention, Baye Serigne dégagement. Oh, faute, faute. L'arbitre central nous dit qu'il y a faute. Il y a faute. L'arbitre central nous dit qu'il y a faute. Donc, euh, faute euh, euh, pour l'ASC Bantus de Thiès. Voilà. Voilà, je vous le disais. On joue à la 12e minute. 12e minute, Ndjouga qui va essayer de sauver le danger. Ndjouga qui dégage long dégagement de Ndjouga Ndiaye. Ndjouga Baïserin Silla, tête de Baïserin Silla et touche nos têtes du latéral gauche de l'AC Bantouche, le numéro 3 et touche pour l'AC Serat donc Baye Serigne qui effectue la touche qui cherche le numéro 9 Ndoy Ndoy non non non non c'était Pape Momodou Ndiaye mais Pape Momodou Ndiaye qui rate euh, son contrôle mais tout le temps qui se bat c'est un bagarreur Pape Momodou euh, Babacar qui va essayer de changer Babacar il faut remettre de Babacar Ndiaye euh, tête de la défense euh, du latéral droit de l'IC Bantous qui dégage le numéro 11 qui cherche son partenaire attention qui donne une mauvaise passe mauvaise passe Ibrahim Ndiaye qui cherche on s'emballe on s'emballe tête de Khalifa Khalifa Gueye Oh, coup L'arbitre nous dit qu'il y a coup L'arbitre nous dit qu'il y a coup franc. contre Khalifa ou Ndiaga. Voilà, je crois que c'est Ndiaga. Donc euh, là, le jeu va euh, euh, reprendre. Donc, coup tiré par mauvais jugement, mauvais tir. Mauvais tir. Donc, le ballon qui sort. Le ballon qui sort le ballon qui sort donc je vous laisse Bantous tous sans Matibi, pour le moment ñu football euh, presque 15 minutes zéro bi partout entre Nyari et Kibi. euh, waaw match actuellement nous avons wax équilibré d'un côté à l'autre mais nous avons ñaan euh, Sirat euh, match attention attention contre attaque contre oh, le gardien qui sort et qui capte la balle le gardien de l'ASC euh, Sirat qui sort et qui donne c'est Silla, mauvais passe, Serigne, attention, euh, le numéro 6, Ndiaye. Ndiaye euh, qui euh, donne une mauvaise passe, Babacar Ndiaye qui se bat avec le numéro 2, Babacar Ndiaye, le numéro 2 qui va essayer de déborder Babacar Ndiaye. Et voilà, touche, Arbitre nous dit qu'il y a touche. Arbitre nous dit qu'il y a touche. Il y a Voilà. Il y a carton jaune pour Baba Ndiaye. Carton jaune pour Baba Ndiaye. C'est un geste qui est inutile. C'est un geste qui est inutile parce qu'il ne faut pas s'emballer. Il ne faut pas s'emballer. Voilà, euh, Mamadou, Mamadou. Mamadou, Mamadou qui se bat, mais sauvetage Ndjouga qui balance la balle. Euh, l'axe central qui donne Baba Ndiaye qui remet. Mauvais jugement. Mauvais jugement de Baba Ndiaye. Mauvais jugement de Baba Ndiaye. Donc, euh, voilà. Zéro but partout. Pour le moment, entre les deux équipes. Zéro but partout. Voilà. Donc, euh, ça, c'est un constat que je vais vous dire tout de suite. À la 16e ou 17e minute, le numéro 13 de l'AC Bantous, le, le, le, militaire excentré gauche, euh, c'est un très bon joueur qui a attention contre-attaque. On attaque oh mauvais jugement, oh mauvais jugement qui a perdu la balle. Le défenseur qui dégage, attention, attention, Ousseinou Ndiaye, Ousseinou qui va chercher son partenaire continuer là, Serigne sila Serigne sila Serigne là il faut il faut il faut jouer jusqu'au bout il faut jouer jusqu'au bout voilà il faut être un peu opportuniste quand même un attaquant doit être opportuniste il faut jouer jusqu'à la fin de l'action voilà pour le moment je vous le dis 17e minute 0 partout entre les deux équipes nous qui met dans la boîte, tête de la défense de l'axe central, qui remet côté droit le numéro 9, qui retient la balle, qui sert son partenaire, qui le trouve, qui donne le numéro 17, qui va essayer d'élaborer, qui met dans l'axe, oh, mais le ballon, le gardien sort et qui euh, laisse la balle sortir. Voilà. Mboki comme Ninko Ouaké, match actuellement, vraiment, euh, déroulé euh, normalement voilà donc le gardien bi tek na ballon bi euh, passe na ko njuga Ndiouga aussi mu ngi chercher partenaire am Ndiouga dégagé na euh, ci axe bi mu ngi jéem a chercher Ndoye euh, sa Serigne Sylla qui donne à l'axe mauvaise passe de Baye Serigne sila Baye Serigne qui se bat bataille aérienne rythme bataille aérienne attention Babacar qui va essayer de remettre une touche de balle il fallait faire une touche Baye Serigne une touche Baye Serigne et Babacar qui remet waaw Baye Serigne il fallait faire une touche de ballon. Une touche et une remise rapide immédiate. Attention. Ça, c'est le football. Ouais. Donc, euh, vous attendez les cris du public. Le supporter de l'ASC Sirat sont venus en masse. Euh, on a constaté aussi que on a vu que même Toubagé est là, Tchanabagar, l'ASC Djambar, Djamono et tout, ils sont là pour supporter leur équipe. Koufran, Koufran de Koufran de de Njuga. voilà voilà donc euh, c'est un coup le numéro 12 qui met dans l'axe tête de Ndjouga, qui sauve le danger ouais dégage en catastrophe qui cherche Mohamed Mohamed qui paie une remise Baïseri Silla qui va essayer de sortir oh Baïseri mauvaise remise Oh là L'action était magnifique. L'action était magnifique. Mais la finition, malheureusement. Mais ça va venir. Ça va venir. L'action était magnifique parce que c'était vraiment une contre-attaque qui est, qui est bien élaborée, très bien élaborée, rapidement. le temps de jeu, c'est ça qui m'étonne le temps de jeu. Rapidement de l'autre côté, on avait vu le ballon dans les cas de l'ICC Sirat et rapidement en quelques minutes, je peux dire en quelques secondes, le ballon est de l'autre côté, mais l'action, la finition. Oh, Koufra, Koufra, la finition, la finition, mais ça va venir. Oui, ça va venir, ça va venir. <clears throat> Inch'Allah, ça va venir, on le souhaite. Voilà, Babacar Ndiaye qui va essayer de mettre dans la boîte. Babacar qui met dans la boîte, qui qui trouve la défense adverse. Ousseinou qui remet mauvaise euh, tête de Ousseinou Ndiaye. Attention, le ballon centre. Euh, Ndiouga, il faut assurer. Il faut assurer. Oui, Babacar, Pape Momodou. Non, Ibrahim Ndiaye qui sert son partenaire qui va mettre, introduire à droite et dégage en catastrophe de la défense de l'IC Bantous. Il y a une pression de l'IC Sirat derrière leur équipe, Collé derrière leur équipe. Et c'est dans tout Tchanaba, de, de, l'est à l'ouest, du nord, entre l'IC Bantous et l'IC Sirat. Et je vous dis que le match, pour le moment, on joue à la 22e minute et 0 but partout entre les deux équipes. Voilà. C'est mon caméraman sous mon mënee Kholal ba son bi normal na wala dette voilà il me signale que c'est bon, ça marche. Oui, c'est comme ça qu'on travaille. Esprit de complémentarité, entre nous. Poitrine de, euh, de, attention. Tête. Ousse Ndiaye qui cherche son partenaire, qui cherche Baye Serigne Silla, Baye qui rate euh, son contrôle, mais qui, euh, qui ne perd pas la balle, Baye qui s'emballe, oh, Baye Serigne, il faut assurer Baye Attention, le ballon ne sort pas. Oh Orjo, Orjo de Baye Serigne Silla, orjo de Baye Serigne sila way orjo de Baye Serigne orjo de Baye Serigne là. le gardien de l'IC Bantous qui s'élance pour tirer le, ballon voilà qui dégage qui met dans la boîte tête Ousseynou Ndiaye qui manque son contrôle oui mais dans la centrale, le ballon est dans le militaire. Bataille dans le militaire. Ibrahim Pam Ndiaye euh, dis-moi euh, autant pour moi Ibrahim, Baye Serigne qui remet à Ibrahim. Ibrahim qui perd diverses qui trouve tout dans il perd pas la balle. Babacar qui cherche son contrôle, qui donne à Baïseri Silla, dégagement de la défense de Bantous de Thiès. Oui, ça va venir. <clears throat> Ça va venir. Ça va venir. Ça va venir. Je vous le disais, tout ce que va effectuer Babacar Ndiaye Babacar qui cherche Ibrahima, Ibrahima, non, le numéro 10 qui donne à Ousseinou, Ousseinou qui cherche, qui met dans la boîte, oh, mauvais jugement de Ousseinou, Ousseinou euh, des ballons et dans les pieds euh, du gardien de but. Donc euh, Mohamed Niaï, je vous le disais tout de suite, qui était de l'autre côté pour prêter main forte à ses partenaires, dégagement du gardien de but de l'AIC Bantous, tête de Khalifa qui met en touche qui met en touche Khalifa Gueye, qui met le ballon en touche. Et je vous dis que Khalifa Gay aujourd'hui joue comme latéral gauche et Njuga est dans l'axe et qui sont euh, l'axe central et Babacar Ndiaye qui joue comme latéral droite. Il y a Ousseinou Ndiaye qui joue comme militaire offensif pour l'AIC Sirat et Ibrahim Ndiaye qui joue comme euh, numéro... Euh, il porte le dossard numéro 6 mais il, il est militaire euh, milieu offensif et Pape Momodou Ndiaye. Il y a aussi euh, comme attaquant, on a Mohamed Ndiaye qui joue comme militaire excentré droite et Baïserin Silla qui joue comme milieu terrain excentré gauche et Abdoulaye ndoy le numéro 9 qui joue comme pointe 9 de pointe. Donc euh, là c'est vraiment le classement de l'ASC Sirat de Tchanaba. On voit dans les bancs de touche il y a des joueurs, il y a comme Baïcher euh, Sek euh, qui est là-bas, il y a aussi Gorendiaï comme coach, il y a Abdoulaye Faye qui vient prêter main forte l'ASC Sirat, et euh, il y a aussi toute la famille de Sirat qui est là derrière leur équipe, les dirigeants, Ibrahim Assar et tout ça, Badouja qui sont là, qui sont là tout le temps. Voilà, donc le ballon connaît tête, déviation de Baïserine, c'est qui trouve personne. Sinon, qui trouve euh, les bras du gardien de l'ASC, Mantouche de Thiès, qui fait un long dégagement, qui sert son 9 de pointe. Euh, le 9 de pointe qui met une mauvaise passe et le ballon sort en touche. Le ballon sort en touche. Le ballon sort en touche. Voilà, je vous le disais. Là, on est à la 25e minute on est à la 25e minute entre l'AIC Sirat de Tchanaba et l'AIC Bantous de Ersan. Zéro but partout pour le moment. Euh, ballon défensif. L'arbitre qui revient sur la faute. Il y avait une faute et l'arbitre avait laissé l'avantage, mais il revient sur la faute. Donc la faute se trouve de la droite, euh, qui part de la droite vers la gauche. Et là, <clears throat> donc euh, on voit que tous les grande taille de l'IC e Bantous sont montés. Donc il faut être prudent. Il faut être prudent. Donc euh, le coup va partir de la droite vers euh, la gauche. Dégagé. Tête de qui Attention, cafouillage Ouais, coup franc. Coup Contre-attaque, c'est Silla qui va essayer de, déborder. Serigne qui cherche, attention, mais le ballon, il ne perd pas la balle. Euh, ballon tout le temps c'est là, Mamadou Ndoye. Ndoye, le numéro 9, arbitre dit qu'il y a Orjo, C'est pas vrai. Arbitre dit qu'il y a Orjo, mais moi je ne le vois pas ici. Mais l'arbitre est le maître du terrain. Donc il ne faut, il faut pas se décourager, il faut tout le temps. Voilà, Orjo qui va est tiré par euh, le latéral gauche qui met dans la boîte euh, tête de Babacar Ndiaye, le latéral droit. Babacar qui se bat, euh, qui donne à Ibrahim Ndiaye. Ibrahim Ndiaye et aussi Ibrahim Ndiaye, Pape Mohamed qui trouve Ndoy. Ndoy, le numéro 9, qui ne perd pas la balle. Ndoy, attention. Ndoy, qui perd pas, qui se bat, hein, Il se bat, le numéro 9, mauvais jugement. le ballon, il sort, le ballon sort. Le ballon qui sort, je vous signale que le numéro 9 de l'ASC Sirat euh, de Tchanaba, Abdoulaye Ndoy, il met une rude bataille dans l'arc central de l'ASC Bantous de Thiès. Il y a un joueur de l'ASC Bantous qui est blessé de l'autre côté. Il y a un joueur de l'ASC Bantous qui est blessé de l'autre côté. Et l'ASC Bantous de Thiès joue en maillot rouge-blanc et l'ASC Sirat de Tchanaba joue en jaune-vert avec des bas blancs avec des bas blancs, donc push euh, effectuée par latéral de l'ASC Bantous qui donne à son milieu terrain offensif droite. Attention, attention, euh, il faut dégager le ballon, il faut dégager le ballon. Euh, le gardien qui sort, qui va sortir et qui, qui cueille le ballon. Le gardien de l'ASC, Sirat de Tchanaba, qui sort et qui cueille le ballon. Dégagement. Euh, du gardien qui cherche Mohamed. Mohamed qui met une déviation. Euh, Babacar qui euh, court et Babacar qui perd pas la balle, le numéro latéral. Babacar qui oh, Babacar. Il faut regarder avant de donner le ballon Babacar. Attention, mais j'ai constaté qu'il y a fissure, hein. il y a fissure entre les, lignes de l'AS entre les lignes défensives et les lignes offensives. Oui, oui. Arbitre nous dit qu'il y a pénalty. Arbitre nous dit qu'il y a penalty et carton jaune. L'arbitre nous dit qu'il y a penalty et carton jaune pour Khalifa Gueye. Oui, il y a une faute qui se situe dans la surface de réparation. Je crois que c'est Khalifa qui a fait la faute. Et là, c'est un penalty. Si je ne me trompe pas, attendons, on va voir bientôt. Mais l'arbitre, euh, on voit le soigneur, euh, les secouristes de l'ASC Bantous qui vont essayer de s'affairer autour de leur joueur qui est blessé dans la surface de réparation de l'ASC Sirat. Bientôt, on va savoir la suite. Bientôt, on va connaître ce qui se passe. Mais ce qu'on retient que pour le moment, qu'il y a faute, si je ne me trompe pas, dans la surface de réparation, et l'arbitre a donné un carton jaune. Je crois que le carton jaune a été donné à Khalifa Gueye, plus connu sous le nom de Khalifa Dem. Oui, lance pour tirer le, le, le penalty. Le penalty à la 30e minute de la première mi-temps. Il se lance, il tire et qui marque. Il marque à la 30e minute. 30e minute, c'est Bantous de Thiès qui marque le premier but euh, par penalty sur une faute de Khalifa Gueye dans la surface de réparation. Et là, Khalifa a obtenu un carton jaune plus euh, là je vais dire carton jaune plus euh, penalty. Oui. Donc 1 à 0. 1 à 0 pour le moment. À la 30e minute, là c'est Bantous qui mène par 1 à 0. Bimarqué marqué par penalty. Attention, oh, attention, le ballon, le jeu continue. Euh, le numéro 17, je disais tout à l'heure que c'était le numéro 11, mais c'est le numéro 17 qui a tiré le pénalty et il a marqué. Donc euh, là, le joueur qui était blessé qui rentre, le numéro 7, qui vient de rentrer dans le terrain. Donc euh, le jeu continue. Zenou qui perd, il faut assurer. Contre-attaque, oh, le numéro 7 qu'on avait blessé tout de suite qui tire et à côté. À côté. À côté entre les lignes. Je l'avais dit bien avant le but. Un peu basse. La Cécirat qui joue en défense base. La défense est un peu basse. Donc, euh, euh, c'est maintenant vraiment au tour euh, du banc de touche de la Cécirat de faire des réglages. Si c'était moi, je, je l'ai... Oui. Oui. Touche effectué. Attention, ballon. Bantou, tous, tous, tous contre la CCRAT. Oui. Oui. On bien à zéro. Et on joue pour le moment. « 33e minute. Ils ne sont pas si nombreux, mais ils sont là, on les attend. L'essentiel, c'est ça. mais quand même ñu ngi leen di dégg muy supporteru Bantousi, nous Le jeu continue. Khalifa qui dégage la balle. Attention, mauvais passe. Ndoy, Ndoy qui va essayer de donner à ici-là, Mais il y a une, bonne couverture de la défense de l'AC Bantous qui sert son partenaire, qui donne la balle attention de coup de vitesse Njuga. oh Njuga qui s'abat oui. intelligent Njuga qui vient intelligemment pour arrêter le danger complètement Njuga qui arrête le danger Oui. 6 mètres qui va être effectué par le gardien de but de la Sirat Oui. long dégagement Mauvais jugement. Ballon tout le temps. Euh, Ibrahim Ndiaye, attention. Babacar, Babacar, Babacar, Babacar. Babacar qui perd pas la balle. Babacar qui s'est by Mauvais Mauvaise passe de Babacar. Mauvaise passe, attention. Attention, le ballon, le grand jeu continue. Bien joué, bonne couverture de Ndjouga qui donne, qui euh, tête de la défense du milieu minute. Ousseynou Ndiaye qui cherche à qui Ousseynou qui, qui va déborder, Ousseynou qui déborde, qui perd la balle. Oui, attention, mauvais. Oh, le numéro 6. Babacar Ndiaye qui cherche à qui Qui cherche Pape Momodou Ndiaye. Pape Momodou Ndiaye qui va essayer de balancer. Il balance mal Pape Momodou. Il faut lever la tête et il lève le ballon encore. Tête de Babacar Ndiaye qui cherche Pape Momodou Ndiaye. Et le ballon sort en touche en faveur de l'AIC Sirat voilà Mamadou Ndiaye qui lance la balle, qui certes Mohamed, déviation de Mohamed qui va essayer d'introduire, qui introduit le gardien qui sort et qui crée le ballon. Le gardien qui sort et qui prend le ballon. C'était dangereux. Le ballon qui est, voilà, le gardien qui est blessé. Et l'arbitre appelle les secouristes ou bien les soigneurs de l'ASC Bantous de Thiès. Je vous le disais, l'ASF. au moment où nous jouons à la 36e minute, c'est normal. C'est normal. Il faut se coller derrière l'équipe. Il faut se coller derrière l'équipe. Voilà. il y a le soigneur. Voilà. Et ça, euh, voilà, relance du gardien de but qui cherche le numéro 13 militaire excentré qui met dans la boîte. Oui, Njuga qui va essayer de dégager. Njuga qui met dégage. Il faut parler au numéro 9, le 9 de pointe, de rester dans la boîte, d'attendre. Oui, oui, il faut qu'il attend. Mauvais dégagement. Mauvais dégagement euh, de la défense, donc touche pour Ndoy qui remet, qui remet qui remet et voilà donc euh, la balle, la défense qui mauvais dégagement encore, mauvais dégagement de la défense euh, de l'axe central de l'IC Bantous euh, de Thiès. Voilà touche donc qui va effectuer tête remise dégagement qui va l'AC Bantous qui essaie de sortir la balle proprement. Voilà et qui Malheureusement pour eux, qui met la balle en touche. Babacar qui met la touche. Tête manquée. Attention qui met dans la boîte Contre-attaque. Contre-attaque. Attention qui glisse. Le numéro 7 qui rate la balle. Oh balle le numéro 10, l'auteur du but, le numéro 17, l'auteur du but de l'AC Bantous, euh, voilà, qui a perdu la balle, euh, Baïserine qui sert son partenaire, qui va essayer de déborder, qui sert qui Ndoy, Ndoy qui remet en arrière, Ndoy, attention, Ibrahim Ndiaye qui remet en arrière, il faut, il faut mettre le ballon devant, il faut le mettre devant, s'il vous plaît. Voilà, le ballon connaît jeu, Babacar euh, Baïserine euh, le gardien qui sort et qui dégage le gardien qui sort et qui dégage, le gardien qui sort et qui dégage. Voilà. Il y a des rectificatifs à faire. Il faut que le militaire de l'ASC participe sur les actions offensives. Il faut qu'il participe sur les actions offensives. Parce que les avant de l'ASC sont un peu esselés devant. Ils sont un peu esselés devant mais peut-être euh, pendant la mi-temps, euh, il y aura des rectificatifs. Moi-même, je vais me déplacer pour les trouver euh, pendant la, mi-temps. C'est le micro qui m'empêche de faire tout ça. Mais c'est des remarques que j'ai... Oui, l'action... Oh, c'est la touche. C'est la touche. Touche. Oui, bientôt c'est la mi-temps. Donc, je vous disais tout de suite que c'est le micro qui ne me permet pas de bouger, d'aller parler au banc. Euh, technique de la Sirat mais il y a des rectificatifs à faire. Il faut que le militaire défensif, le militaire d'une manière générale, offensif de l'ASC Sirat participe sur les actions offensives. Euh, euh, voilà, parce que l'attaque de l'ASC Sirat, je, je, veux nommer le numéro 9, Ndoy, Abdoulaye Ndoy, Mohamed Ndiaye et Baïserin Sela sont un peu scellés devant s'il y a élastique, s'il y a écart des lignes là, vraiment, pour qu'il reçoivent les ballons, euh, c'est un peu difficile pour eux. Donc c'est la mi-temps. C'est la mi-temps. Donc on a joué 40 minutes. Donc je crois que euh, c'est 40 minutes qu'on a joué. C'est la mi-temps ici euh, au stade de la Dior de Thiès. c'est Bantous qui mène par 1 but à 0, but marqué à la 30e minute sur penalty, marqué par le numéro 17 de l'ASC Bantous de Thiès et le penalty, euh, c'est Sir coup de Khalifa Gueye qui a obtenu aussi un carton jaune. Donc euh, pour le moment, euh, la situation s'est passée comme ça. ASC Sirat, ASC Bantous moom Menegoul, mëneegul Dougalogoul Ben, dugalagul euh, minute la ASC Bantous Dougal, ASC Sirat pénalty penalty coup dougalé penalty pénalty xam numéro 17 euh, bu ASC Bantous moom coup pour le moment euh, un but à zéro donc en faveur de l'ASC Bantous de r euh, parti. La fonk bu mu bi aussi 1 euh, à 0 en faveur de l'ASC Bantous de Thiès. L'ASC Bantous qui a mené par à la 30e minute euh, sur penalty. Donc euh, déviation de Baïserine Silla. Attention, Babacar Ndiaye. Babacar qui remet, qui remet, qui sert son partenaire, qui le trouve qui trouve Baisserin, c'est là. Oh, oh, attention, le gardien qui sort et qui cueille le ballon. Le gardien qui sort, qui cueille le ballon. Oui, l'ASC Sirat, euh, comme vous le voyez, vient avec un autre projet de jeu. Long dégagement du gardien et le gardien de but de l'ASC Sirat qui sort et qui prend le ballon et qui euh, remet un long dégagement tête euh, du numéro 17. Le numéro 2, militaire qui va essayer de développer, qui cherche son partenaire, qui le trouve, qui donne le latéral. Le latéral qui essaie de développer, mauvais espace. Mauvais passe pour le numéro 11 et le ballon sort. Ballon de Khalifa. Khalifa qui remet en touche, qui donne à Baïserin Silla. Oh, le ballon sort. Le ballon sort. Mauvais contrôle de Baïserin Silla. Mauvais contrôle de Baïserin Silla. Donc le jeu continue. Ici au SAT, l'acteur de Chess, Bentous de Ersan qui mène par 1 à 0. Touche en faveur de l'AC Bantous. Tous en faveur de l'IC, Bantous de chess. Tous en faveur de l'ASC Bantous de chess. Ouais, euh, mauvaise touche, mais l'arbitre laisse passer. Donc, euh, le, euh, attention, le ballon qui va sortir. Ndjouga qui va essayer de sortir le ballon proprement. Euh, mais le ballon refuse de sortir. Ouais, un mauvais dégagement. Attention, tout le oh! temps. Ouais, c'est là. Qui remet dans l'axe, Baïserine. Ça ne se fait pas ça. Ça ne se fait pas. Le ballon refuse de sortir. Baba Ndiaye qui met un long dégagement, qui cherche Ablaï Ndoy. qui va essayer de développer, qui est dans, la surface de réparation. Oui, mais qui obtient un corner. Qui obtient un corner. Un corner euh, de la gauche vers la droite pour laisser Sirat de Tchanaba. Corner. Corner. Oui. Corner euh, de la droite, de la gauche vers la droite qui va être tiré par Ndiaye Pape Pape Mamadou reprise mauvais geste mauvais geste c'est une faute offensive une faute offensive voilà le défenseur de l'ASC Bantous qui, qui se tord de douleur et l'arbitre appelle les secouristes de l'ASC Bantous de Thiès voilà Espérons que c'est pas grave. Voilà. Ah, c'est Bantous mon mon mené première mi-temps bi mu ngi dugal bitam ci penalty la à la 30e minute penalty bo xamni Khalifa Gueye mon mon faussé ben attaquant de numéro 7 donc euh, biñ ko dóoree nag euh, numéro 17 ASC Bantous moom moo ko dóor euh, voilà. noonu la demee pour le moment wala donc gis ngeen ko ah, ah, góol bi moom mooy dégager balon bi noonu. joueur bi nga aussi gañon nañ ko arbitre pour duggaat ci biir terrain voilà le mauvais dégagement c'est dans les pieds de euh, Baye Serigne Sila Baye qui remet dans l'axe euh, Pape Ibrahim Ndiaye oh il y a autant de fautes autant de fautes offensives Pape euh, Mamadou Ndiaye mom mo def faute offensive offensives. donc voilà numéro 5 bi mom mo tag ballon bi après mu bayiko ko ak gol euh, goal mom moy dor nonu gol bi dégagé ko un long dégagement dans la tête de Ndiouga Ndiouga qui qui qui dégage attention mais le ballon qui va sortir en touche le ballon qui sort en touche voilà le ballon qui sort en touche tous euh, pour Jérou Bantoussi ñom ñoko mom joueur bant bi le ballon dans les pieds voilà mauvais contrôle et ballon aussi euh, d'Adi Guen euh, en 6 mètres Légui, voilà nous euh, là on voit les joueurs de l'ASC Sirat de Tchanaba qui s'empresse pour ramasser les ballons parce que le temps ne les attend pas et voilà Ndjouga qui met un mauvais dégagement Ndjouga. mais heureusement dans les pieds de Ousseynou Ndiaye Ousseynou qui obtient un coup franc. Ballon pour Hussein. Oussein qui joue rapidement le coup franc. Khalifa. Khalifa qui va faire la... Khalifa, mauvaise passe de Khalifa. Mauvaise passe. Dégagement en catastrophe aérienne. Tête, euh, rite bataille aérienne entre Hussein Ndiaye et le militaire numéro 2 de l'AIC. Mais Mamadou Ndiaye, non, Mohamed qui cherche son partenaire. Euh, mauvais contrôle de Baïserin Silla. Mauvais contrôle de Baïserin Silla. Voilà, touche pour le jeu de l'AIC Bantous qui met la tête. Ballon dévié par le numéro 7. Remise sur la poitrine du numéro qui met dans l'axe. qui dégage. Mohamed Ndiaye qui cède son partenaire, qui le trouve. Qui trouve Pape Momodou Ndiaye. Pape Momodou Ndiaye qui va essayer de trouver son partenaire. qui donne une, bonne balle, une bonne balle, une bonne balle. Baye c'est là qui joue en arrière. Baye il faut jouer devant. Mais le ballon, euh, Pape Momodou Ndiaye qui se bat, qui donne une bonne balle. Attention oh! bonne défense euh, de l'IC Bantous. Donc euh, là, vraiment, on commence à voir euh, les joueurs de l'IC Sirat Ndjouga qui dégage en catastrophe. Touche, touche pour l'IC Bantous de Thiès. Voilà, c'est le réseau.net. vous félicite de passage et vous dit à, dit à tous les spectateurs de Saint-Réseau.net bonsoir tout ça, c'est pour vous faire plaisir, pour vous satisfaire. Vous, euh, qui aime tant le sport, vous qui aime tant les grands événements, oui, vous qui aimez les, grands événements, nous sommes là pour vous satisfaire. Euh, voilà, donc euh, le ballon, dégagement loupé de Ndjouga, Ndjouga, attention, attention, il faut dégager, non c'est Ndjouga, je m'excuse, c'était pas Ndjouga qui dégage. Ibrahim Ndiaye, je crois, Ousseinou, c'est là, qui va essayer de manœuvrer son partenaire. Baïserine, Inde, Baïserine qui rentre dans la surface de réparation. Bon dégagement, but But But But C'est un Bobby Un Bobby Voilà Un Bobby à la 10e minute de la deuxième mi-temps. c'est qui ouvre le score qui marque le but. Sur pénétration de ici là, qui a décroché un tir qui est dévié par la défense. Oui, là, vous avez... Oui, le jeu va repartir. Alifa, Alifa, qui dégage, qui dégage, ballon en douce.

là vous les voyez. C'est extraordinaire ici au sein de la Dior de Thiès. Entre l'ASC, Sirat de Tchanaba et l'ASC Bantous. Quel joli but. Quel joli but de Baïserine, c'est là. Là, on va continuer de vous montrer le match, le de football qui va continuer de démarrer. Voilà, on vous montrer la tribune. Ça, vraiment, pour que tous les téléspectateurs... Hein? Voilà. Là, vous voyez, il y a un joueur blessé. Mais il y a corner pour euh, la SSIRA de Tchanaba qui vient d'égaliser. Voilà. Sur un beau but de ici, là, sur débordement sur, le côté gauche et il a déclenché un tir qui est dévié par la défense de l'ASC Bantous. Donc pour le moment, euh, je vous dis que l'ASC Bantous 1, l'ASC Sirat 1 ici au SAT, l'Adjor de Thiès. C'est un bobby. On vous a montré aussi euh, vraiment ce qui se passe dans les tribunes. Tout Tchanaba s'est mobilisé. L'ASC Djantibi l'ASC Dego l'ASC Jambar l'ASC Jamono, et même l'ASC Dego d'Akhaï et même sans oublier sans oublier nos amis nos amis qui sont du côté de derrière l'ASC Sirat qui se bat qui se bat qui a pris un but un sur mais heureusement euh, qui a marqué à temps à la dixième minute de la deuxième mi-temps là il y a coup euh, je veux dire il y a un joueur blessé du côté de l'ASC Bantous de Thiès et euh, le, soigneur, le secouriste euh, ou bien le soigneur, le médecin de l'ASC Bantous qui s'affaire au autour de son jeu. Euh, c'est encore, Toujours, on vous fait... On, Voilà, ça, ça, ça c'est joli. Ça c'est joli. C'est la turbine. C'est Tianaba. C'est tout Tianaba qui est là. C'est tout Tianaba qui est là. Et je vous dis que ceux qui sont là-bas à Tchanab, c'est Ndiaye. Et de passage, je vais lancer un clin d'œil à Issa, à Fama Ndiaye, à Mamkhar, Ndeye Ami, à Amina Gueye et toute la famille Ndiaye qui sont de l'autre côté. Je leur dis bonsoir. Nous sommes ici au Stade Ladior de Thiès, là où l'AIC Sirat et l'AIC Bantous de Thiès sont à égalité, un but partout, sur joli but de ici Sila. Sur infiltration décroche un tir dévié par la défense de Bantous. Voilà, je vous le disais tout de suite, Ibrahim Ndiaye, euh, Pape Mamadou Ndiaye, Pape Mamadou, clin d'œil à son père, Pape Youssou Ndiaye et à toute la famille, sans oublier personne, euh, Dans l'axe central, on trouve aussi Khalifa Gueye, clin d'œil à toute la famille gay Pape mort clin d'œil à toute la famille, sans oublier personne, cher Baitala Gueye et tout le monde. Bonsoir. Nous sommes ici, le côté gauche, Babacar Ndiaye aussi, sur euh, le latéral droit. Là, je vous dis que actuellement, suñu benn confrère confrères. fait fekk ci reportage bi euh, voilà donc corner bi ñu ngi Il y a dóor yaakaar qui ni bi euh, dama lay corner voilà tête sauvetage cafouillage oh le ballon qui sort qui refuse de sortir attention Djuga, qui va remettre dans la boîte qui remet Attention, dégagement de la défense. Attention au contre-attaque. attention au contre-attaque. Le numéro 13, il est dangereux. Qui remet, qui met un mauvais passe. Et je crois que dans les bras du gardien de l'AC Sirat qui prend le ballon en deux temps. Le gardien de l'AC Sirat qui prend le ballon en deux temps et qui fait un long dégagement. Dégage Baiserin Silla qui contrôle pas la balle. Attention. Oui. Touche pour Khalifa. Donc, euh, Mbaye Mbaye Babakarkan. moo ñu fekk si léegi mbay Babacar ku xam mbay Babacar xam nga xam nga ko seen réseau point net fu ñu fekk liggéey bi complémentarité bi euh, Babacar yow pour le moment match bi dama bëgg yaay nekk sama consultant en wolof bu ko defee rek ñu weccoo ko noonu noo xoo noo gisee match bi. Euh, Moussa Ndiame match bi ni ma ko gisee match match technique la euh, xel a koy yeggale quoi. comme ni ma gisee bii bi léegi nii Baye Serigne dafa fubal ak défenseur bi défenseur Brantus bi muy génn moom leer na ko ne bu dóoree moom mën na bañ am dara mais dafa gis défenseur bi génn mu dóor ko ci kaw mu dugg loolu nag joueur bu mag ak expérience moom moo koy waral quoi match bi moom du lu ñuy euh, profité quoi xel moom moo koy fubal ku siif rek da ngay comme nous ko dit, nous sommes ngi ci fi de toll euh, actuellement le ki ku ku a euh, euh, mhm. gagné match bi ci man que ma ci match bi actuellement. voilà on joue à la 20 20e minute. comme l'a dit notre confrère Babacar Karkan, il dit qu'il faut il faut être patient. c'est un match technique. Donc techniquement, il faut être dans le match et ne pas être pressé. Euh, observation vous parlez. man foogoon naa ni sax euh, ngoor si xamul football waaye ngóor si lim ma wax tey leer na nañ euh, jërul pressé match su expérience la Mbaye Babacar moo ko wax loolu Mbaye Babacar nag euh, yaakaar naa ne analise boobu analyse u football kat la parce que wax nga ni milieu terrain bi yëf ci milieu terrain bi la nekk waxoon naa ko avant ngay ñëw du ñu fekk si donc yow tam boo ñëwee confirmé waat ko damay wax ne xañ na football kat nga parce que ku nekkul football kat doo xam loolu Euh, comme li ma lay yokk yokk foofu rek moy gis nga bi bi bi duggee euh, rapidement pour mu wax la masse technique la euh, da nga gis gardien wa Bantous bi teudé parce que boobu dafa fekk sama gaay ci sen frais niñ dañu am qualité football bo xamni ñom ñoom ko force sen accès bi bàyyi ñu dougal c'était pour casser le rythme pour yàq fraîcheur bi. oh Babacar Babacar. c'est un analyste Babacar il connaît le football. Oui, il dit que la blessure de la, de, du gardien de l'ASC Bantous, c'était un peu avec de l'expérience parce que c'était pour casser le rythme de l'ICC Sirat. Parce qu'au moment où il y avait le but, il y avait une pression énorme euh, du côté de l'ICC, Voilà, Baïserine qui essaie de manœuvrer. Baïserine du côté droite. Baïserine qui centre. Mauvais centre et qui passe au-dessus de la barre transversale. Babacar Linko Lerna. Pression le mot amont du côté Sirat. Sufko. Bantous. Goal aussi comme goal Magla, Magla la. cassé euh, ni na rythme bi na yak affaire parce que l'autre ci football le bon. ni nga ko gisee ak ni nga ko waxee Babacar yow dag ma bét sax parce que vraiment nit ko xam football nga tey ah, non Moussa ndiamé man siraat bi buñ koy wax ni tay ji euh ah, man mënu ñuma ci génné parce que buma né la mak Baye Youssou Ndiaye ño taxawal siraat doo ko gëm mhm. Baye Youssou Ndiaye bu cene ba papa yi Gora Ndiaye mii yor équipe bi ñun ño taxaw suñu xalaat ci eh, yalla dimbali ñu ci la siraat taxawé mhm. ak ndem si yàlla si eh, alaaji ma dikkee vraiment boobu mu fekkon mu yor dëkk bi ñu dem wax ko vraiment rafetlu ko parce que liñ doon ci bañ tam moy eh, xalé yi génn am bénen jikko bu bokk te jikko cene ba ñu ci li lii

qui a marqué le pénalty... qui est en train, qui s'affaire autour du ballon. Je crois que c'est donc coup C'est donc coup qui s'affaire autour du ballon pour le tirer. Euh, là, euh, vraiment, on ne souhaite pas, on ne souhaite pas. Il faut se battre, il faut être présent. Oui, centre, moi. Oui, coufran. franc. contre euh, l'IC Bantous, donc coup pour l'IC Bantous. Et là, vraiment, si je peux approcher le banc de touche de l'AIC euh, dinaa len wax ni nañu wax ak joueurs ñu baña ba comme euh, au début il y avait il y avait il y avait vraiment une défense basse cette euh, défense bi dañu waccion taxaw ben place xam nga bi ñu deuxième mi-temps ñom ñep ñu nango dem football yi marqué donc nañu continuer ci jeu bobu ñu ñu doon continuer diko def mais buñu ñu rek taxaw di xaar quoi lolu man vraiment moy sama problème donc Khalifa qui va essayer de trouver son partenaire Ablaye Ndoye Ablaye Ndoye qui sa ba Ablaye Ndoye attention dégagement en catastrophe du gardien et la voilà, l'arbitre nous signale qu'il y a un joueur blessé. Il y a un joueur blessé. Il y a un joueur blessé. Arbitre, nous toujours dañ leen di euh, vraiment di len jéem tégal ay pré euh, yu sévère yo xamante bi c'est pas bon euh amna coup yo yoo vraiment war nañ ko mëna baye comme avantage quoi mais comme suñu penalty bi dafa sévère trop trop trop trop trop trop kon comme ñun ñi nga xamante ne bi ñoo fété ci penko bi di football ci euh, dëkk yi nga xam da fay melni Thiès wala ñuy génn ci dëkk yi nga xamante ne bi ñoom ñoo supérieur ci walu football yenn yenn yenn côté yi dañ leen di war di baar bàyyi xel comme arbitre yi ñuy arbitrer war nañ leen di baye xel trop di la ñoom comme nous ñu avec ak jury... parce que tout tout loo def rek dañ daal di l'action... Euh, action jox ko ils pour qui euh, man voilà c'est ça le jeu c'est ça le football si si vraiment tu te déplaces tu es défavorisé oui, si tu te déplaces, tu es défavorisé. Aujourd'hui, l'ASC Sirat, euh, c'est l'ASC Sirat qui s'est déplacé ici à Thiès. Donc, pour le moment, je vous dis, fera rapidement jouer... Attention au mauvais jugement. Ibrahim Ndiaye qui remet qui cherche qui, qui cherche Pape Ndiaye, euh, qui ne le trouve pas, le ballon refuse de sortir. Attention, dans l'axe centrale, long dégagement, euh, long dégagement. C'est défense. Oui, oui, oui. Euh... ba tey Siraat ñoom balbi. yor bal bi euh, Ndiouga Ndiaye Balbi mooy dégager euh, meilleur défenseur du Son 10 de Tchanaba. meilleur défenseur meilleur défenseur de Son 10 de Chanaba mais bu ñu reculer quoi di xaar. Euh, waaw waaw waaw kooku xalifa Gueye Khalifa Gueye mooy yor baal bi noonu di ko dégager noonu. Ah, ah, ah, ci seen kaw milieu terrain bi rek milieu terrain bi rek ku ko gagné yaa gagné match bi kooku moom lu ñu dindi la euh, amul benn problème. Euh, mm, mm. pression pression. gën a baax Baye Serigne si la. Baye Serigne Silla contre-attaque Baye Serigne là sur le côté gauche qui va essayer de travailler son oh Baye qui perd pas la balle Baye qui travaille qui va essayer de qui perd pas la balle qui donne à qui à Mamadou Ndiaye Ibrahima qui donne à Mamadou remise de Baye oh c'était bien joué c'était bien joué c'était bien joué hein, voilà là il y a y a le Bantous qui vient euh, contre-attaque le numéro 13 de l'AC Bantous qui met dans l'axe central dans la boîte oh, côté à côté, heureusement pour nous, à côté, voilà. Donc euh, il y a un changement qui, se prépare aux côtés de l'AIC Je crois que c'est le numéro 9, qui va céder sa place. Attention. Baye c'est là, sur le côté droit. Baye qui va essayer de travailler son partenaire qui perd la balle, qui perd la balle, by qui perd la balle. Attention, le numéro, très bien joué, très bien joué. C'est Babacar. Babacar, excellent Babacar. Excellent Babacar. Bon retour de Babacar qui sauve le ballon. Voilà, le changement va se faire. ci ci ci ci coaching bi quoi. <laughs> waaw c'est Moussa yow jàmbaar nga ñëpp ngi rafetlu sa liggéey euh, xëy na li nga may def loolu nii sax da nga ma bugg a da nga ma bugg a taxal rek loolu gars yi naa tax ci rëb. waaw dama bëgg xam nga lu tax ma lay def loolu li parce que damay bëgg di yox su di wax ak góor ñaar. <laughs> waaw ok ok yow xam naa ne euh, euh, ay rapporteur nga ba pare bokk ci ñi nga xamante ne bii ay ay dirigeant lañ vraiment kontaan nañ ci li ngay def Serat fi mu toll actuellement nii ñoom ñoo dugal benn changement génne Ablaye Ndoye dugal beneen joueur Euh, comment s'appelle encore voilà voilà voilà Bantous actuellement nous ñooy tous bino euh, tous pour tous les jour de Bantous dégagement de Ndiouga euh, encore encore encore Babacar Mingi top jour Bantous mais c'est vrai Il n'y a rien arbitre arbitre il a rien y a rien arbitre n'y a rien ah, mais mais mais mais